au Niger comme ailleurs dans le monde. Notre plus grand ennemi aujourd'hui est très vicieux car il est invisible. Il tue, tue par milliers. Sans remède ni vaccin, la prévention reste notre seule défense. Alors, adoptons des gestes préventifs qui sauvent. Lavons-nous les mains régulièrement au savon en frottant soigneusement pendant 30 secondes tousser ou éternuer dans le pli de votre coude ou à l'aide d'un mouchoir jutable à la poubelle. Évitez tant que possible de vous toucher le visage sur le nez, la bouche et les yeux. Respectons les distances de sécurité de 1 mètre pour éviter la contamination. Si vous ressentez les symptômes tels que la fièvre associée à une toux sèche et des maux de tête, restez chez vous et appelez les numéros suivants. 96 25 63 78 96 40 24 67 96 27 99 64 ou contactez le SAMU Niger en tapant le 15 ou en appelant le 93 59 18 02. Si vous revenez de l'étranger, même si vous n'avez pas de symptômes, restez confiné au moins 14 jours. Ne mettez pas vos proches en danger. Soyons responsables. Pour nous et pour notre communauté. Ensemble, nous sauverons plus de vies. Ceci est un message de la présidence de la République du Niger contre la pandémie du coronavirus.